Résolution. Nous, membres de Tahaou Dakar, conseillers municipaux et sympathisants, réaffirmons notre soutien total à Madame le maire de la ville de Dakar, Swam El Wardini. Soutenons la candidature à la candidature de Swam El Wardini à la ville de Dakar. Rappelons que conformément à la note circulaire numéro 001 de la coalition Yewi Askanwi, les candidatures individuelles ne sont pas recevables. Il est clairement indiqué dans ladite note que les candidatures des partis ou mouvements sont déposées auprès de la commission départementale ou de la commission communale des investitures compétentes. Précisons que Tahaou Sénégal en tant qu'organisation politique, n'a pas encore déposé de candidature au sein de la coalition Yewi Askanui. Je souhaiterais ajouter quelques mots par rapport à cela, par rapport à Madame le maire, par rapport de 2009 à aujourd'hui. C'est la seule femme, mais c'est pour la première fois. Khalifa Sall prend une décision qui est historique. Un maire de la ville de Dakar qui donne des responsabilités, qui donne de grosses responsabilités aux femmes, je crois que ça, c'est à magnifier. Elle, choisit ou propose une femme à la tête de la ville de Dakar, c'est une première de toute l'histoire politique du Sénégal. Et ça, c'est à magnifier. Donc nous demandons à M. Khalifa Abba Sall et à Tahou Sénégal de perpétuer cette histoire parce que c'est la seule femme sur 19 maires de communes, euh, maires maire de ville de Dakar, c'est la seule femme. Donc sur 19, les leaders s'étaient engagés ici au Sénégal à, dans les listes, qu'il y ait 10% de maires femmes. Aujourd'hui, nous avons une grande dame à la tête de cette ville qui a un bilan dont tous ses conseillers et tant d'autres qui n'ont pas pu venir vont défendre dans les rues de Dakar prochainement une dame qui est une mère et une mère exemplaire, une dame qui s'est penchée sur les problèmes sociaux de Dakar, des familles, des femmes et des enfants et des jeunes, en termes d'emploi, en termes de santé, en termes de voirie, en termes d'éclairage public, en termes de tout ce qui est social. Je crois que tout est visible. Donc, Madame la maire, sachez qu'aujourd'hui, vous avez le soutien de Dakar, vous avez le soutien du conseil municipal, euh, du conseil municipal, c'est-à-dire de ceux qui sont à Tahaou Dakar et d'autres même qui ne sont pas à Tahaou Dakar. Donc, Madame le maire, soyez sereine, soyez forte. Vous avez Dakar auprès de vous, vous avez les femmes de Dakar auprès de vous, vous avez les papas de Dakar auprès de vous, vous avez les jeunes de Dakar auprès de vous, mais vous avez aussi les enfants de Dakar auprès de vous, parce qu'avec vous, Dakar bientôt. Dakar, vous avez participé au retrait des enfants de la rue et vous avez signé une charte récemment qui fait de Dakar une ville sans enfants en situation de rue. Pour tous ces programmes, Madame le maire, soyez forte, marchez la tête haute et sachez que vous êtes notre candidate et vous serez ici, notre maire, le 23 janvier 2022, Inch'Allah. Merci beaucoup. di jiital ci nuyoo bi nag suñu leader Khalifa Ababacar Sall di sant di gërëm ñi initié lii man de dama toog rek ñu ne ma dañuy mobiliser yëguma ci woon dara loolu nag Aminta jàll moo ko def ànd ak Badara Gajaga bi ak équipe bi nekk ñoom ñëpp ñoom Sophie Massali ñoom Rosalie Diop ñoom ñëpp ñoo xalaat lii daf ko biñ koy daf wax dëgg yàlla man tey maa ngi jéggulu ci tarde bi di jéggulu mbolo mi fi tok yépp militants yi sympathisants yi conseillers yi ah, journalistes yi mais aussi wa caucus des femmes leaders ma ngi leen di nuyu bu baax di sante di gërëm bu baax Fat Sarr Sow li ngeen ma defal dimanche rek wax dëgg yalla doyoon na ndax investir ngeen wa ma ci sante ñëpp di ci gërëm ñëpp jigen ñi damay sante di gërëm suñu càmmiñ suñu borom kër yi parce que bu ñu bayiwulon nak du ngeen ñëw fii di toog naan da ngeen may jàppale di sant suñu doom yi muy góor muy jigéen di wax ne ñun liggéey rek lañu bëgg liggéey lañ fi toogee liggéey lañu xam te liggéey lañuy ñuy il faut nag ma sant ñëpp ñëpp ñëpp vraiment il faut ma sant leen gërëm leen sama xol dafa tooy sofi bi mu waxee wax dëgg yàlla tuuti ay rongoñ daanu mm-hmm. waaye nag ah wone na dëgguteem wane na sincérité bi mu àndeek man te nag suñu ànd bi sincérité rek moo ko lal leneen lalu ko dañu daje fii te ki ñu dajale di Khalifa Ababacar Sall ñu ànd di liggéey ak moom 2014 ba léegi la ñu créé taxawu ndakaar di ci ànd ba tey jii kon bu ñu nekk see ba yegg tey jii rafetal rek moo ñu war man damay oote élection yi ñu jëm nañ ko teg ci yar ci dal ak ci teggin yenn yi ñu xam te suñu kilifi diine yépp wax ko lii xew ci réseaux sociaux yi nañ ko arrêté parce que dëkk kat jàmm moo koy doxal li ñuy def mun nañ ko def dafay jeex ëllëg ak si biir politique bi day jeex ku ci nekk da nga toog janoog sa morom te dëkk bi nag senegal gi man de war dini laa sant waaye sama mbokk yaa nga bawal ña nga jolof ña nga saalum kon nag ñëpp a bokk ñëpp a bokk nañu arrêté li ñuy def li ñuy def actuellement dafay ñaawal suñu deru réew nañu ànd boole xol yi compétition rek la kii day gañe kii perte ku ragal a perte nag doo dugg ci lii kon daal maa ngi oote vraiment jàmm ak dal ñu dem ci élection yi ku ñu tànn ñu xam ne yow nga tànn nga campagne sa campagne boo gañee nga jiite loolu daal laa ne woon bu ma ñëwee ma wax ko sant ñëpp gërëm ñëpp sant naa leen gërëm naa leen caucus des femmes leaders merci encore madame Fatou Niang ñoo bokk conseil municipal nga bokk ci caucus des femmes leaders waa parcelles yi toujours bu ma ootee conseil municipal Mati Ndiaye ak Fama jaw ñoo fiy jiite vraiment ñooñu dama leen di sant di leen gërëm te xam na nag bokkuñu parti waaye ñoo bokk di liggéeyal Dakar loolu lañu soxla ci conseil municipal yi xalifa daf ñu daan wax bu ngeen ñëwee seen parti politique yi bàyyi leen ko ci buntu hôtel de ville bi fii waa ndakaaru ñoo ñu fal kon dañ leen war a liggéeyal kon ñun lépp lu ñu war a def rek mooy liggéeyal askan wi yàlla ñu ci yàlla jàppale ñaa ngi baalu àq ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax ne kontaan naa jërë ngeen jëpp fii laa mën a yem parce que guddi na yàgg ngeen fi maa ngi jéggulu encore ci yéex a ñëw bi ma doon ñëw dama doon def benn webinaire moo tax biñ ma ooyee mënuma woon ñëw mais ñu néma il faut nga ñëw parce que li nekk hôtel de ville il faut nga ñëw sant nit ñi gërëm yëm remercier li leen lolu moo tax ma ñëw ma ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp kontaan na fu kontaan yem jërëjëf je suis donc venue remercier toutes ces personnes qui se sont mobilisées pour venir soutenir ma candidature à la candidature de la ville de Dakar. Je suis dans une coalition et je respecte le processus qui a été mis en place. Moi, j'attendais une audition et je l'attends toujours. Ce qu'on avait commencé à faire dans les communes avec les différents candidats, c'est ce qui devait se poursuivre et finir par la ville de Dakar. Donc quand on parle de forclusion, moi je ne me retrouve pas. Alors cette mobilisation, je voudrais remercier toutes ces personnes. Cela a commencé avec le caucus des femmes leaders dimanche dernier. Ces braves dames m'ont investi pour la ville de Dakar et je les remercie du fond du cœur. Ce que nous sommes en train de faire, encore une fois, c'est pour le bien-être de nos populations. Nous allons vers des élections, mais déjà l'atmosphère est polluée. Revenons à la raison. Ce sont les disputes. Ce n'est pas prospère, ça ne va pas faire prospérer le pays. Nous sommes tous des citoyens. Nous voulons tous le bien-être de nos populations, nous voulons le développement de notre pays. Mettons-nous ensemble dans une concurrence saine et le meilleur gagnera au profit des populations. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire. Remercier Madame Fatou Soussar, la présidente du, caucus des femmes leaders et toutes ces personnes qui sont venues la représenter. Nafissatou Madame tout le monde et les conseils municipaux, les conseillers municipaux de la ville de Dakar présents aujourd'hui dans cette salle. Tout le monde n'est pas là, mais ceux qui ont pu être présents sont venus donc pour vraiment soutenir cette candidature. Je remercie tout le monde. Merci encore de votre aimable attention. Madame. Madame.